par rapport, vous, savez, vous savez, les différents coups d'État dans la sous-région viennent de choses différentes. Par exemple, en Guinée-Bissau, on ne peut pas parler de, troisième candidature. Le président vient d'être élu démocratiquement par la population bissau-guinéenne. Nous, on est désolé que dans notre sous-région, qu'il y ait tout le temps des coups d'État, parce que ça n'aide pas à stabiliser la zone et à permettre aux différents dirigeants de travailler dans la quiétude pour développer leur localité. Nous appelons en toute solennité les militaires à rejoindre les camps et à laisser la démocratie parler comme on fait au Sénégal. Parce que véritablement, il n'y a aucun pays qui s'est développé avec des coups d'État, des guerres. Les, les, cas sont divers, je viens de vous le dire. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de coup d'État. Machallah, Le Sénégal est un pays démocratique. À chaque fois, notre population montre qu'elle a une certaine maturité par rapport à ce qui se passe dans le pays. Les élections ne doivent pas être des choses qui, entraînent des guerres, des violences dans ce pays. Au contraire, les gens doivent utiliser leur carte pour permettre à tout un chacun de prétendre gagner quelque chose. waaw donc boo bëggee def corrélation entre deuxième quinquennat président de la république bi ñuy wax ak li xew Guinée Bissau Bokul. Guinée Bissau ki ñu nek ki ñu nek dafa coup d'état mo fa nek di fa xew mom wa dëkkam ñoko fal tek ko fi mu nek ci lu yàggul dara donc mbir yi bokul benen bi moy président de la république Sénégal dafa nek un pays démocratique bo xamné à chaque fois fu élection jotee population bi day won sax politiciens yi que ñoom dañ leen wessu fiñu tollu dañuy genn dem ci dal dem voter ji ñibi seen kër ki gagné xey lendemain bi dem liggéey ji donc ñun li ñuy def ak li ñuy wax ragaluñ ci dara te xam nañ ne mënul yóbbu réew mi ci guuta parce que les sénégalais sont de véritables démocrates suñu président démocrate la en 2012 bi conseil constitutionnel ne Ablaye Wade candidat am candidature am dafa valide moom moo njëkk ne nañ bàyyi place de l'obélisque dem battre campagne donc bu ñu ci tollee bu nee moom bëgg na daganaat baatu askan wi ñun lu mu ko jaral jaral nañu ko pour ñu ànd ak moom ci réew mi yëpp wër ak moom campagne mu gañewaat ba continuer vision am yóbbu Sénégal à l'émergence à l'horizon 2035